voilà maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, xaw na ñoo gëj waxtaan nag waaye comme niñ leen koy waxee toujours du dara ndax boo leen gisee publication yi la plupart dafay dañuy bëgg mu remplacer waxtaan yi walla amaana sax mu faciliter communication bi suñu diggante ndax sous des publications, bi c'est des vingtaines voire des cinquantaines voire des centaines dans la journée nous ne pouvons mënul gën de wax donc nous avons fait tout ce pour publier les choses au plus rapidement possible et du publier aussi au maximum si boo leen gisee ñuy nous di amal waxtaan yu mel yenn saa dañuy une situation oblige si leen titre bi déjà on a dit le Sénégal d'abord parce que dañu am lo xamné dañ ko remarqué lu bari suñu mbokk sous-région bi wala sax yenn ci suñu mbokk yi yu tuddé panafricain peut-être qu'il qu'il se pense plus panafricain que nous mais je vous je vous rassurerai que plus panafricain que nous n'existe pas ndax ñun déjà Sénégal lañu gëm Afrique gëm waaye dañ ci jiital rek Sénégal ndax nag wax dëgg yàlla balaa ngay bale kër jàmbur ba mu set ci sa kër ngay tàmbalee ba pare boo balee sa kër ba mu set nga mën a jël bale boobu nag jël jàllale dem bale ay këru jàmbur donc dañu gis coow lu bari loo xam ne mu ngi ci internet bi fan yi ay nit yuy tàlli tàlli waaw lu tax Sénégal demul dugg ci AES bi nga xam ne Mali la ak Burkina ak euh, xawma Niger waaw léegi lu tax Sénégal moom gaawul jomaay mu ñëw rek nekk panafricain nekk panafricain mooy lan nekk panafricain moom mooy nga fekk ay nit ñu mbi ñu taxawal kuréel kuréel macha allah bu baax nag mais kuréel gi xamuloo ay fanam n'est-ce pas xamuloo kuréel gi ñaata temps la xam nga ko gisuloo taxawaayu kuréel gisuloo dooleem yow dal gis nga rek kuréel nga ne damay genn ci kuréel ma dem dugg ci kuréel donc arrêtez avec ça soyons logiques le président Ousmane Sonko le, premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye ont été élus démocratiquement par les Sénégalais té dañu xex Nous, ñun sous région bi dàqu ñu xex de ndax nous on s'est battu et on a imposé ce que nous voulons sur Macky Sall et son régime muy lan muy ay élections et on a gagné les élections Nyom ils n'ont pas pu faire le ça donc Nyom Diem nañu imposer imposer bi bi mu doxul ci la ñu def coup d'état donc ñaari mbir yi tuut xeebaluñu leen seen xeex waaye kenn nous ñu xeebal suñu boss, te kenn bum ñu moi je n'accepte pas man d'accorduma pour yan ngeen yaakaar ne ñun dañoo wara baye France Wow, après dem joxi suñu bopp Russie lan lolu moy lan ñun buumu bëgg wala changer le maître on veut changer notre maître maître lañu bëgg changer ah dañu bëgg def transfert d'université quoi wala transfert sax d'école jóge nañu école un ñu ngi dem école deux ñun defuñu lolu ñun gëmuñu lolu de man de xéxaluma lolu té gëm ne ces panafricains qu'on a élus ne se sont pas battus pour ça pour bu mu ndiam fi dem joxat sa bop kenen dedet ñun dañu xex pour bu mu ndiam ba faw tuba bi di ñew ci ñun di wut ci liggey ñoo ñun ñu nek seeni ay maître nek seeni ay patron man lool la gëm donc may leen ñu jam du ñu di dem jox suñu ken, kenn defuñu loolu dedet ñun du ñu jële suñu bop ci France du jox suñu bop ki que ce soit dedet on fait un partenariat gagnant-gagnant Nous, loolu moo ñu fi ça. Ah. un partenariat gagnant-gagnant décomplexé nag Angleterre la de faire affaire Angleterre la ñuy affaire bu Russie la traite elle Russie la nuit, traite elle. France la traite elle. on traite avec tout le monde mais gagnant-gagnant mais on ne va pas couper des relations avec voilà euh, France pour aller nous donner à, à, à, à la Russie loolu ban ban logique moi, donc vraiment rest restons sur notre ligne quoi nañu bàyyi kenn ku ne li mu gëm na ci nous. ñoom coup d'état moo leen fa taaj nañu nekk ci lu ci lu ñu ne nañu nekk ci lu ne mais ñun aussi démocratie moo ñu fi taaj ñun bu leen fàtte ne coup d'état le président Ousmane Sonko est sorti très très clairement après 2021. Nous ne confisquons pas le pouvoir nañu xaar ay élections et on va aux élections et on va dégager Macky Sall d'ici et c'est ce qu'on a fait on a attendu les élections on s'est battu élection nous na ñu dem défi élection nous sommes Macky Sall donc nous on ne peut pas se comporter comme quelqu'un Bon, vraiment mon mais nous on faisait déjà partie de la CEDEAO Nous, nous CEDEAO de ñun dañ ci on n'est pas d'accord avec eux CEDEAO ni muy ñun ko ni mu mel dara ci mais li de justice Sénégal mais nous, dañu nous, on n'a qu'à leur donner le temps. Le président va communiquer déjà samedi. On n'a qu'à lui donner le temps de communiquer. Why ay nit yu jóge fële rek bàyyi CEDEAO dugg leen non non non nous on était déjà dans la CEDEAO hmm, suñu kilifa yi niñ fay fait wala niñ fay jubbante fait bopp wala ni ñuy doxalee ba mbir yi jub nous ils le feront comme il faut c'est pas à nous de leur dire comment le faire non ils connaissent leur stratégie et ils feront tout ce qu'ils feront Mané, Sénégal ba justice Il y a combien de morts Macky le délinquant nous a donné combien d'armes dans notre ville il a acheté des armes de bandits tas fait petit ci mais nous avons ci kenn ba léegi et dinañ nous jàpp they're gonna catch them Damane, nous nañu dox respect on a élu des gens, on n'a qu'à leur donner le temps, de, faire le travail. Comme il faut. Voilà. On n'aime pas, hein? Tout ce qu'on voit qu'on n'aime pas, on dénonce. Mais duñu nous, di ñetti voilà vous qui vous êtes battu à votre façon accent démocratie def vous allez nous suivre de la manière dont on veut gérer nos pays non non non on est respectueux de vos décisions. On respecte vos décisions. Quel manque ou de respect. Mais nous, le Sénégal d'abord, avant qu'on s'occupe des problèmes de quelqu'un d'autre, on va nous occuper de nos oignons d'abord. On va cuisiner pour les Sénégalais, on va nourrir les Sénégalais, on va d'abord s'occuper de la responsabilité des Sénégalais avant que nous faisons quoi que ce soit. Voilà. Le président Bassirou Diomaye Faye, est élu par les Sénégalais. Il n'est pas élu par les Guinéens, ni les Nigériens, ni les Burkinabés, ni les Maliens. Non, non, non. Il est élu par les Sénégalais. Il va suivre ce que les Sénégalais veulent d'abord. Voilà. Le Sénégal d'abord. On vous respecte beaucoup, mais on demande le respect en retour. Le respect est réciproque. Vous nous respectez, vous recevrez le respect. Vous nous manquez de respect, ce sera un problème. Parce que nous, on n'a pas besoin, on n'a pas peur de palabres. Si quelqu'un connaît le Sénégalais, tu sais qu'on peut se bagarrer pendant des décennies. Nous, on peut se, on peut se défendre. On n'a pas besoin de quelqu'un de nous défendre. Le manque de respect qui vient envers nous, ça suffit. Sinon, ça peut être vraiment très compliqué. Le Sénégal d'abord, nous, on s'occupe des Sénégalais d'abord. Cela ne veut pas dire que on n'aime pas le Malien ou on a un problème avec le Burkinabé ou bien avec le Nigérien. Non, on n'a on a ni problème avec qui que ce soit. On n'a aucun problème avec quelqu'un. Mais on est d'abord des Sénégalais. On va s'occuper d'abord des Sénégalais et on va écouter les leaders sénégalais. Je sais que ces leaders-là, c'est pas facile pour eux de prendre des décisions. Mais ça suffit. Le manque de respect que nous voyons dans ces réseaux, ça suffit. Et il y a parmi aussi les patriotes. Vraiment, faites attention à vos communications. Il ne faut pas faciliter un manque de respect envers nos leaders. C'est nos leaders, c'est nous qui les avons élus. C'est nous qui se sommes battus pour élire ce président Bassirou Diomaye Diakhar et le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais il faut aussi les soutenir. Hein? Il faut les soutenir et les protéger. Il ne faut pas que vous pensez que on va rester ici et écouter tout ce que, tous vos, vos conneries et on va les accepter. Ça ne se fera pas. On n'a ni peur ni froid aux yeux. Et on se connaît tous. Nous, on n'a forcé rien à personne et on ne sera pas forcé à prendre des décisions. Non, les décisions seront la décision des Sénégalais comme ils le veulent. Et c'est notre président, Bassirou Diomaye Diakhar Fay qui va prendre ces décisions, accompagné de son premier ministre Ousmane Sonko. Parfois, on peut ne pas être d'accord avec eux. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec eux. Mais encore une fois, on est des Africains, on est des panafricains. Faisons attention de ne pas être divisés par la France. La CDAO existe avant l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le, Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, qu'est-ce que vous pensez On va prendre le pouvoir aujourd'hui et demain, on va... Nous, on ne peut pas dissoudre la CDAO. Mais je sais qu'on peut beaucoup faire. Et je sais que ces leaders vont prendre les décisions nécessaires. C'est tout. C'est tout, hein Zaïd Abdul toi tu veux être célèbre et très riche dans 72 heures sans conséquences ni sacrifices humains. Voilà, non, qui dofle qui c'est un marabout qui est là à faire ses affaires. Et, pardonnez-moi. Voilà, c'est les publicités qui font les n'importe quoi là. Ce que je veux dire, moi, Sénégal d'abord. Man Sénégal là d'abord voilà sama mbokku sénégalais yi concentré wu leen ci senegal li li li baaxal këru jàmbur du loolu moo baaxal sa kër suñu mbokk yële dañoo xeex ba libéré seeni ay réew jaarale ko ci ay militaire ñun dañoo xeex ba libeere ay réew jaarale ko ci ay civil yàlla dafa def nag ñun bi ñu ñëwee dañu fekk suñu réew dafa bokk ci kuréel gu tudd CEDEAO ñun tabaxuñu CEDEAO defuñu ko fa mënuñu ko faa jëlee waaye comme dañu am ay njit yo xam ñum ñoo leen jital pour ñu doxal ñu waxal ñu suñu ay doléance je pense que il faut ñu may leen opportunité boobu déjà li gëna reuy moy le président Bassirou Diomay Diakhar Fay fera face à la presse ce samedi lolu mo gëna reuy d'abord mais patience man mi ma gëna a patience ñep ndax man néna leen dañu waron dammate tanku Macky Sall faqi baat bi sànni ci xat man lolu la wax mais loolu yalla dogalu ko donc nañu tay nañu tay faisons attention à la polémique ay nit yi yu fele wala France dem ci Russie nit bu normal bu mu ba di dem ci nit bu normal moy def lolu wax len nit bu normal bu mu la ba nga dem jëlat boom yew ko ci sa baat jox ko kenen ne ko wo man ma ah ñun africain on n'est pas assez intelligent pour demal suñu bop donc ñun ñoo yor suñu bop lolu ngeen di wax donc ñun lan lañu ñun ay xar lañu quoi il faut toujours ñu mat ñu ñun ñun ñoo yobbu suñu bop ñun nak ñoo yobbu suñu bop bu ci andé bu mu njaaw ndiam c'est fini on a fini quand on finit avec la France c'est ce qu'on a fini avec bépp colonisation mais du ñu jóge ci buumu njaam di dem jox suñu bopp buumu njaam loolu mënta nekk xam leen ne ñun ñi nga xam ne ñun ñoo bokk ci combat de libération du Sénégal bii nous sommes des personnes décomplexées kenn ci ñun amul complexe a amin kenn ci ñun du nit ku complexé koo xam ne bu gisee tubaab bu ko nuyoo sax ay tànkam dañuy lox déedéet dañ koy ne jàpp ci biir loxo laaj ko turam comme nous, nous ni ñuy laajee suñu nous ak sur le ñu Nous ak moom li ne moom la nous war a wax ak Nous ñu sëq ak ne la nous war a sëq voilà gagnant gagnant Damané, gagnant gagnant Birmi, gagnant gagnant on fait des échanges on fait du business tout ce que le pays fait avec les autres pays Birou, gagnant gagnant ouais Aïe, ay dem d'am Russie, Russie lakk looy looy wuti Russie tu vas chercher quoi da ngay def transfert d'esclavage esclavage da ngay jóge fii nga dem joxe sa nous on l'accepte pas ñun loolu nous yi buñ ko waxoon suñu président bu ko waxoon ñun ci suñu bopp ñun nous koy monsieur le président de la république cela n'est pas acceptable ñun duñu ay jaam ñun ay doomu nous pire lañu donc on ne change pas de maître pour un autre maître nous on dit non à toute forme de colonisation toute forme de néocolonisation toute forme d'esclavage dañu ne Sénégal population sénégalaise une décision ils se sont battus ils se sont libérés un point c'est tout voilà donc dama mu grand Tunkara s'il vous plaît il faut nous faut remettre les bureaux de vote à proximité dans la diaspora cela se passera cela se passera Bala ben élection di ñëwaat il faut savoir que réforme yu ndaw ndawaan wara am ñi wara am carte d'identité ñi war voter ni ñu war voter loolu yëpp ce sera facilité parce que duñ ñu jële ci nguuta di ñu delluwaat ci beneen loolu déjà dagg buumu njaam bi nga ñun la ñuy donc soyez rassurés que lolu du amaat lolu c'est fini euh, maa ngi assalam asalaamaaleykum waaw touti waaw buma ma ma wola dix minutes ma wola dix minutes merci voilà comme ni ma len ko rek un point c'est tout un point un trait et c'est fini fi mu toll ku nek na lijjanti nous, sommes pas Africains, nous sommes parce qu'on est des africains mais il ne faut pas être complexé Darul, il ne faut pas nous diviser pour mieux régner il n'y a pas de problème ici nous on n'a aucun problème avec qui que ce soit on n'est pas <laughs> on n'a signé aucun accord avec la CEDEAO nos dirigeants sont en train de faire le travail qu'on les a demandé de faire il faut leur donner le temps de le faire. Mais on n'acceptera pas le manque de respect. Le Sénégal d'abord. Le Sénégal d'abord. Les Sénégalais disent le Sénégal d'abord. Les Maliens disent le, Mali d'abord. Les Burkinabés disent le Burkina d'abord. Mais quant à ce manque de respect qui est en train de naître, ça peut s'éviter. Ça peut s'éviter. Il faut éviter de créer des polémiques là où il n'existe pas. Il faut essayer ça le président Jomaï doit se démarquer de la CDAO. Senbi, Momo cela n'est pas à nous de le décider quand il peut se faire Ce n'est pas à nous de le décider on a élu un président on n'a pas élu euh, euh, euh, on n'a pas élu un suiveur on a élu un dirigeant quelqu'un qu'on veut qui dirige donc quand tu quand tu as élu un dirigeant il faut le laisser diriger si maintenant tu veux embaucher un esclave, tu vas embaucher ton esclave. Et maintenant, tu mets euh, quoi ta, ta, ta, niche sur son cou et le tirer là où tu veux. Mais vraiment, on ne le fera pas avec ces présidents. On les a élus et on va les protéger, Inch'Allah Rabbi. On les a élus et on acceptera zéro manque de respect venant de qui que ce soit. Chacun de ces individus qui parlent, qui se, qui se, qui se nomment un panafricain a un président chez lui. Il n'a qu'à aller donner ses leçons à son président. C'est tout. Il n'a qu'à aller donner ses leçons à son président, mais pas à nous. Nous, on a un président qu'on a élu par respect. Les Sénégalais l'ont élu et c'est cette personne qu'on va suivre. Voilà, donc, Gaï, comme voilà donc euh, ñu bari xam voilà mon mais grand le peuple a un mot à dire mais bien sûr c'est pourquoi le peuple continue à le dire pourquoi je parle pourquoi toi aujourd'hui tu as la liberté de dire ce que tu veux mais bien sûr on est dans une démocratie c'est pourquoi on a aussi nos cartes de vote parce que ces personnes qu'on a mis ici là ils ne sont pas là sans sans des votes on a voté pour qu'il soit ici. Donc, bien sûr qu'on a des mots à dire. Mais bientôt, il y aura les élections euh, législatives pour l'Assemblée nationale. Il faut te présenter comme député. Hein. Tu as le droit. Voilà. Je pense que si vraiment les Sénégalais pensent que ces personnes qui ont été élues ne sont pas été élues légitimement, mais il faut poser ta candidature. Après, on verra. C'est le Sénégal avant tout, le Sénégal d'abord. Je ne dis pas qu'on a quelque chose contre qui que ce soit. Mais c'est le Sénégal d'abord. Voilà. Le Sénégal, d'abord avant tout. Nous, on est Sénégalais. Et ce qu'on ne va pas accepter, c'est ce qu'on est en train de voir. les Maliens protègent leur Mali les Burkinabés protègent leur Burkina Les sénégalais yu ñu c'est n'importe quoi ça si c'est ce que vous appelez le patriotisme allez regarder le mot patriote le patriotisme commence d'abord chez soi voilà le patriotisme ça commence d'abord chez soi c'est pas ce que ton pays peut faire pour toi mais c'est toujours ce que tu peux faire pour ton pays c'est ça le patriotisme d'abord il faut d'abord voir ce que nous pouvons faire pour notre pays. Après, on va aller nous occuper du problème de, du Mali et du problème de la, euh, you know, euh, du Burkina et, d'autres. On n'a qu'à d'abord s'occuper des problèmes des Sénégalais. Voilà. Quand on s'occupe d'abord du, du, du, du, Sénégal et après maintenant on peut aller où on veut. Mais ce qui est important quand même, il faut que nous restons ensemble. On est des Africains noirs, restons ensemble comme des Africains. C'est ça la vérité. Voilà, restons ensemble. On est des Africains. Évitons de nous faire disperser. Évitons de nous faire diviser par, par la France. Parce que ce que vous êtes en train de voir là, c'est le travail de la France. Allez regarder la CDAO. Quand j'ai regardé <laughs> ça meeting au CDAO, il n'y a que des blancs. Il n'y a personne là-bas que tu peux même reconnaître. C'est du n'importe quoi. Mais laissons nos dirigeants diriger. Voilà, laissons-les diriger. Quand ils dirigent, Inch'Allahu Rabbi, Inch'Allahu Rabbi, tout ira. Voilà, nañu nañu nañu gëm rek fal ay nit mata trois mois quatre mois yow yonge dal parce que Mali nous, parce que Burkina Mali nous, mais maliens ñu ngi and ak maliens yi waa coup d'état la jëlee réew mi créé tegu fa sax ay élection mais maliens yi ñoo bëgg ñun suñu yoon ci Burkina même chose du Burkina bay ñoko bëgg mais suñu yoon new ci c'est leur droit le plus absolu nous on a choisi les cartes et on a gagné des élections c'est tout donc kenn ku ne nangul ko li nga xamné mom moko mom mais moi je resterai constant et je vous dirai que je suis prêt à revenir et faire la guerre à toute personne qui va essayer de ternir l'image de mes présidents. Parce que je suis président la yor président Ousmane Sonko et président Bassirou Diomaye Diakhar Donc est officiellement premier ministre Ousmane Sonko donc nous, tant que là, on va continuer à faire seulement nos publications mais si vous pensez que des individus qui se, qui se nomment je ne sais quoi vont venir et s'attaquer à ces personnes. Comme le fait un de nos rappeurs qui a perdu la tête là. attaque avec la Le rappeur fou qui a perdu la tête là. Mom, attaque avec moi Continuez à attaquer les gens et Inch'Allah, on viendra et on fera face. Ça, on vous le garantit. Amoun layaminak. On vous le garantit. et wallahi on fera face voilà ñu ñu ne tek rek di len bay ngeen di dof doflu mais xam len ne ba ñu suñuy garde ben yon nous on est des garde fou ñu ngi taxaw fi di xaar so len defé lu naka si nonu ñu ñew gor seeni ay tang voilà démocratie la nak kenn ku deban ga wax say xalaat waye ay nit ay fenkat yakamti nañu ñu dégg nit

Le Sénégal d'abord. On s'en fout de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le Sénégal d'abord. gars Manglen maa di sant di leen wa rahmatullahi wa barakatuh.